et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangou. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine. Je suis Ketop Draman en compagnie de Habiba Ahmed. Bonjour Habiba, comment ça va Bonjour Rokaya, ça va bien. Alors pour le programme du jour, nous commençons par le flèche d'information qui nous sera présenté par notre collègue Tarnan Foudé Ahmed. Toujours dans cette émission, nous recevons Rafika Taher pour la revue de la presse, euh, moment tant attendu pour beaucoup d'entre vous, chers auditeurs. De la partie invitée du jour, euh, l'administrateur délégué de la commune rurale de Bengou, département de Gaïa, Siliman Weifan, a accordé un, entretien à notre collègue Habibou Garba sur la vie de sa commune. Il y aura également les autres rubriques qui ne sont plus à présenter, telles que la chronique Loti, la culture linguistique, la page sport, la rubrique éco des régions qui nous emmène cette fois-ci à Maradi. Ce programme sera accompagné par des belles musiques nigériennes. Chers auditeurs, restez à l'écoute. C'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Comme prévu, chers auditeurs, voici le flash d'information présenté par Tarnan Foudé Ahmed. Bonjour Tarnan. Bonjour Ruki, bonjour Habiba. Nous débutons ces flashs euh, d'information avec cette information portant la déchéance des nationalités aux neuf dignitaires du régime renversé le 26 juillet 2023. Selon un communiqué du gouvernement lu sur la télévision nationale, cette déchéance est actée conformément à l'ordonnance numéro 2024-43 du 27 août 2024 instituant un fichier des personnes, groupes de personnes ou entités impliquées dans des actes de terrorisme ou dans toute autre infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques et ou fondamentaux de la nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique et fixant les modalités d'inscription et de retrait ainsi que les effets irrélatifs, relatifs. Modifié et complété par l'ordonnance numéro 2024-46 17 août 17 euh, octobre 2024 un mort et plusieurs blessés dans une bagarre qui s'est éclatée dans la nuit du 9 au 10 octobre 2024 à garin Naino, dans la commune de Guidan, souris située dans le département de Guidan Romji région de Maradi. C'est une information rapportée par le journal Souffle de Maradi. Selon ce journal, les témoins sur place ont, rapporté qu'il y aurait une dizaine de blessés à coups de machette, dont quatre graves euh, référés à l'hôpital de Maradi. Nous continuons toujours euh, ces flashs euh, avec euh, le journal étatique, le Sahel, qui rapporte le lancement hier à Karma, dans le département de Kolo, des travaux de la construction d'une usine de production de fer à béton. Selon le ministre nigérien de Commerce, la construction de cette nouvelle usine sur le plateaux de Karma s'inscrit dans la vision des autorités et va renforcer la souveraineté économique et sociale du Niger par le développement des industries manufacturières. Cette usine, initiée par une société chinoise, a une capacité de production annuelle de 50 000 tonnes, pouvant aller jusqu'à 100 000 tonnes et a prévu la création de 361 emplois permanents au Nigérien. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci Tarnan pour toutes ces informations. Rukaya l'annonçait en début d'émission, notre entretien d'aujourd'hui porte sur la vie de la commune de Bengou et ça sera avec l'administrateur de cette ville. Mais avant, un, autre, un tour en musique avec Sonki de Ismoan. Si seulement tu sais à quel point je tiens à toi, tu n'allais jamais en aucun cas te loigner de moi. On s'était promis amour, confiance et joie. Mes sentiments sont verts et tes doutes de moi. Souviens-toi de ces bons moments qu'on a passés. Rappelle-toi, nous nous sommes aimés sans préjugés. Pardonne-moi pour le mal que j'ai pu te faire. Comprends-moi, pour mes enfants c'est involontaire. kama tetani yo de sokinike kiahe you every night, every night, every night. Baby, you can call me anytime, anytime, anytime. artiste nigérien qui réside en Caroline du Nord. Il est compositeur et interprète. Son style de musique est une fusion d'afro-pop et de dancehall. Sa maîtrise de la langue anglaise lui a permis d'atteindre un grand public aujourd'hui. C'était le titre Sonki de l'artiste Ismo Wan. À présent, nous allons passer à l'entretien du journaliste nest Oui, Rukaya. Et dans la première partie de l'entretien, Siliman Wefan, administrateur délégué de la commune de Bongo, évoque les problèmes liés au recouvrement des taxes et impôts dans la commune. Écoutons. Euh, monsieur l'administrateur délégué, euh, dites-nous comment se porte la commune rurale de Bongo aujourd'hui Dieu merci, Alhamdulillah. Euh, la commune rurale de Bongo se porte à merveille. La population de la commune euh, rurale de Bengou sont vraiment dans des conditions merveilleuses et que cette commune elle est prête euh, à relever les défis pour la question de la refondation de ce pays. Oui, en parlant d'être euh, prêt à relever les défis, aujourd'hui, comment se passe le recouvrement est-ce que la population, elle s'acquitte vraiment de, de leurs notamment les impôts et autres taxes pour cette question des impôts et taxes sur la question du recouvrement, c'est une question qu'on a trouvée qu'au début, et que il y avait eu beaucoup de soucis. C'est quoi les soucis Parce que autant de, de politiciens, il y avait eu beaucoup de choses qui se sont passées et que cette question de recouvrement, euh, c'est les conseillers ou bien c'est la politique qui s'ingère sur cette question de recouvrement. Chacun met sa personne pour le recouvrement de la commune et qu'au niveau de la commune, de la caisse de la commune, rien ne se retrouve. Et c'est cette question que nous, à notre arrivée, et surtout sur la question du taxe municipal pour les impôts euh, que la population paye. Ça fait des années que cette population euh, n'arrive pas à contribuer, n'arrive pas à payer parce qu'ils disent qu'ils payent mais ils ne voient pas ce qu'on est en train de leur faire. Mais nous, à notre arrivée, on a essayé de discuter avec la population, avec euh, tous les acteurs euh, concernés sur la question du recouvrement pour euh, discuter et voir quels sont les problèmes et comment on va essayer de remédier à ces problèmes et relever les défis. Dieu merci, on a commencé euh, avec le collecteur euh, pour essayer de savoir leur niveau d'implication euh, sur cette question de recouvrement. On s'est retrouvé que c'est des gens qui sont habitués à des fraudes, à des choses qui cadrent pas à notre ambition, qui cadrent pas à notre vision pour qu'on puisse développer cette commune. on a fait un toilage, on a pu vraiment changer certains d'entre eux, mais les autres sont là. De même que on a mis un système qu'on contrôle nous-mêmes ce qui se passe en termes de recouvrement. un service qui est censé vraiment surveiller cette question de recouvrement. Euh, pour ce qui est de taxes euh, municipales au niveau de, de, de, des chefs de quartier, on a eu à sensibiliser les chefs des quartiers avec la population parce que euh, l'affaire de, de ce taxe, c'est quelque chose que chaque citoyen doit prendre conscience qu'aujourd'hui, il a un devoir, il a un droit. Ces devoirs, il faut les accomplir pour que la commune puisse vous mettre dans vos droits. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ont compris. Parce qu'à notre arrivée, euh, l'année 2023, aujourd'hui, ils ont payé carrément l'année 2023. 2024 aussi, ils ont commencé à payer. Et ce que vous voyez, même sur euh, le recouvrement, même au niveau du marché hebdomadaire, ça fait des années qu'il n'y a pas eu de recouvrement au niveau du marché. Mais à notre arrivée, on a mis un système, on a pris de, de percepteurs, de collecteurs, qui sont en train de travailler chaque vendredi, parce que c'est un vendredi le marché, pour qu'ils puissent collecter ce qu'ils puissent collecter et qu'on puisse gérer ce marché avec cet argent-là et qu'on puisse développer aussi la commune avec les ressources internes de la commune. Parce que c'est une commune qui regorge beaucoup de ressources, mais qui a été mal gérée et que cette population ne voit pas. Les... Quelles sont les ressources de la commune Les ressources de la commune, c'est une commune qui fait frontière au Nigeria. Et une commune qui fait frontière au Bénin aussi. Pour ceux qui de la frontalière avec euh, le Nigeria, c'est des camions qui passent ici pour aller au Nigeria. Et que ces camions qui passent ici pour aller au Nigeria, euh, on a essayé de recadrer euh, le recouvrement pour ces camions-là. Parce qu'au début, il y avait un système qui est là, qui ne répond pas au texte même euh, législative euh, des impôts du Niger. Et qu'on a recadré ce système, aujourd'hui, tout camion qui va dépasser doit avoir vraiment versé, payé ce taxe-là de sortie dans la commune, parce qu'il passe par la commune. Et à travers cela, euh, on a eu à faire vraiment beaucoup des actions du développement à travers ce recouvrement. Et il y a aussi l'aspect agriculture parce que ça fait partie des ressources. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que cette population est en train de produire, il y a un système qu'on a mis pour que dans chaque produit, ce que la commune va puis prélever sur le produit qui ont été euh, exportés, soit au Nigeria, soit dans l'intérieur du pays. C'est la première partie de l'entretien du jour avant de poursuivre avec cet entretien. Accueille Rafika Taher pour la revue de la presse. Bonjour Rafika. Bonjour Kaya, bonjour Habiba. Bonjour Rafika. Alors, inondation au Niger, plus de 330 décès, 383 blessés et d'importants dégâts matériels enregistrés à la date du 23 septembre selon la protection civile et publiée par l'ANP le 8 octobre 2024. Effectivement, Rukaya, au Niger, les inondations ont occasionné, selon la Direction générale de la protection civile, 339 pertes en vie humaine, plus d'un million de personnes sinistrées reparties dans 158 399 ménages, 383 blessés, d'importantes pertes de matériel, de bétail et de 25 695 tonnes de vivres à la date du 23 septembre 2024. La région la plus touchée par les dégâts est selon le communiqué de la direction, Maradi avec 111 décès, dont 19 par noyade et 92 par effondrement. La région d'Ottawa occupe la deuxième place avec un total de 99 morts, dont 69 par noyade et 30 par effondrement, suivi de la région de Zender ayant totalisé 65 pertes en vie humaine, parmi lesquelles 7 par noyade et 58 par effondrement. La région de Dosso, quant à elle, occupe la quatrième place avec 22 morts, dont 14 par noyade et 8 par effondrement, suivi de Tilaberi avec 15 décès, dont 9 par noyade et 6 par effondrement. Enfin, les régions de Niamey, Agadez et Difa sont les moins touchées avec respectivement 9, décès et 8 décès par région. En dehors des pertes en vie humaine, 1 176 528 personnes réparties en 158 399 ménages se sont retrouvés sans domicile, 383 blessés, en plus 22 476 bêtes têtes de bétail et 25 695 tonnes de vivres ont été importées et d'importants dégâts matériels enregistrés. Rafika, d'échéance provisoire de la nationalité, Rissa Agbilla et huit autres proches du président déchu Mohamed Bazoum sanctionnés pour atteinte à la sécurité nationale soumis par Acti Niger le 2 octobre 2024. Rissa Agboula, ex-ministre d'État à la présidence de la République du Niger, réfugié politique en France, ainsi que huit autres proches du président déchu, Mohamed Bazoum, ont été provisoirement déchus de leur nationalité nigérienne pour des infractions graves mettant en danger la sécurité nationale selon le journal en ligne. Hier, jeudi 10 octobre 2024, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdraman Tiani, a signé un décret en ce sens conformément à l'ordonnance de 2024 visant à sanctionner les individus impliqués dans des actes de terrorisme, de trahison et d'intelligence avec des puissances